moom moo xaw a en tout cas ci poule bi bañ a kenn d'après les propos de Cher Sidi Bamba am na koo xamee na ni et le Sénégal et l'Algérie ñoom ñoo jiitu ci li nga xamee ni moom di Coupe d'Afrique des Nations boobule ñoo jiitu yeneen 22 nations et c'est un certain El Hadj Ousseynou Diouf moom mi teewee aussi li nga xamee ni moom moo di tirage au sort bi waxtaan nag Babacar Ndaw Faye ci li nga xamee ni moom moo jëm ci euh, Sénégal li xaar ci compétition bi mais aussi fi mu teg Sénégal par rapport ak yeneen équipe yi mu déglu ko te dellu si non c'est la réalité il faut que nous Il ne réalité la xam nga favori et na at euh, na pression Il ne il faut pas que xale nous pression réalité la réalité, nous sommes mën et le jour Sénégal les Sénégalais équipe bu ñu si Afrique voire Europe dañuy football équipe nationale football donc si bu ko xol si jom Bolé ci fayda Nous ñu di je crois warul nek pression pression bi ñun ñoko yor ñun ñi di wax mais ñom li leen laaj seen mën-mën nan ko def modi di nunu football boole ci jom at fulla at fayda franchement mën na wax ni euh, tirage bu bax la mais nak comme ni ma koy waxee rek ñun suñu ennemi bop aujourd'hui moy le Sénégal aujourd'hui euh, at équipe bi ñu am at joueurs yi ñu am tay ji ñun buñ ci défé fulla at fayda duñ taxawat kenn lolu nak warul nek pression

ñoo ngi gis équipe yu mag ñoo ngi côtoyé eh, joueurs yu euh, joueurs yu joueurs yu mag et nañu def comme euh, xool tey jii euh, jël exemple si si si si Léo Messi Sadio Mané jël exemple si Léo Messi comme ni mu def si Copa bi joueurs yi jël exemple si équipe bu Argentine bi et je crois que franchement quand le temps est là tout jom bok ci Le léppay baax dina len gungé ak di ñaan sénégalais yëpp aussi ñu booloo nek benn léegi c'est vrai que euh, dem nañu ci élection yi ki gagné gagné na ñoo ngi laaj nepp ñoo ngi ñaan nepp ñu di jappo bokk nday bokk bay ndax xalé yi loolu lañu soxlo pour dem gagné ci Coupe d'Afrique moo ak El Hadj Ousseynou euh, Diouf ci waxtanam ak Babacar Ndaw fay bien sûr ci comportement bi Lions yi war am confiance bi ñu war am mais aussi rôle surtout bi nga xam ne ni moom la Sadio Mané wara am ci équipe bi

Euh, FIFA bu bu Afrique ba amna fo xamné xam ne mënatoo derrière des faux fuyants mënatoo out ay prétexte di di derrière en fait Sénégal dafa nekk ci situation bo xamné tay ji disons deux à trois favoris yi nek ci euh, ci tournoi bi mënuñu see génne Sénégal et que toutes les autres équipes yi nek foofu tamit dañuy considérer Sénégal comme kii bob donc il faut que c'est une position bo xamné c'est un statut bo xamné les gens devront assumer et que assumer bi amul fenen fuñ ko wara def lu dul ci terrain parce que seen valeur mo len euh, mo len yobbu nit ñi am attente yoy ci ñom et quand je dis ministre, c'est à la fois les Sénégalais à euh, tous les autres qui suivent euh, qui suivront cette compétition et euh, li li également concernant Sadio il donne même l'exemple de Lionel Messi. Mm. que Messi, Messi a eu son parcours avec l'Argentine il y a eu beaucoup de difficultés mais à force de persévérer il a eu ci finalement li mu Sadio Mané également ce sera la même chose njëkk na 2015. essayer 2000 nous avons éliminé ñu premier tour avant 2015 En 2013 on a eu un euh, passage difficile contre euh, Côte d'Ivoire avant CAN bi la éliminé dernier tour éliminatoire en match direct Nous avons joué le Maroc c'était un peu ses débuts moom ak euh, toute sa génération bi ñuy les gens ont un peu compris parce que c'était une génération bu à peine ci euh, JO 2012 de Londres Nous, hmm. euh, la grande équipe de Drogba il n'avait pas été ridicule les gens ont dit bon voilà euh, circonstances ok ça passe première une première canne, ils sont sortis au premier tour avec Giresse en 2015 dans des circonstances où ont <laughs> tout le temps ils nekkoon foofu da ngay da ngay euh, mais également, Bob, les gens ont dit, OK, c'était leur, leur, première participation, etc. Nous, Après, il y a eu 2017. Nous nous, nous, match de poule, match de poule extraordinaire. Nous avons forcé Sénégal, c'est le costume favori. euh, nous quart de finale, Cameroun Nahlen. Ils, ont, ils ont dominé le match, mais Cameroun m'a gagné au bout. Les gens ont dit, oui, c'était, euh, ils n'étaient pas assez matures, etc. etc. on voit la progression. 2019 ok on est allé en finale on n'a pas gagné Ni ñi ni nañ teeru et tout mais les gens, nag amatul euh, amatul Benen porte de sortie en fait mm-hmm. puus nañ pousse, nañ pousse, nañ pousse, nañ pousse. Euh, cette génération là man je pense que euh, elle est arrivée à, à maturation ñoom ñëpp tey Euh, Danaka, en tout cas les les les les éléments majeurs de cette génération là euh, muy ñoom Edouard Mendy muy Kalidou Koulibaly Idrissa Gana euh, Sadio Mané ak yeneen ñoom Sabali Danaka, bu ñu une période bi après forcément décrue rek donc euh, c'est le moment où jamais pour nous. après peut-être que Sénégal parce que Sénégal tant que football mi ngi toujours eu d'autres générations raté nañ fi en 2000 Le football mi ngi ko wat di am ba mm. mais ñom si surtout en tant que en tant que joueur en tant que joueur de de très haut niveau en tant que joueur qui a une une carrière euh, en club ils ont eu beaucoup de de réussite Sadio Mané gagné la Ligue des Champions euh, seen championnat yi ñu si bëri ñoom gagné nañ ko à des niveaux individuels accès ak yoy mais fiñ leen di xaar surtout c'est au niveau national et pour man euh, ci génération bi ni en tout cas bi nga xamné mom lañ woon a woowee génération bi nga xamné mi ngi formé wu euh, ci London 2012 yoy bi c'est c'est c'est est danaka est mooy daanaka li ñuy woowee seen sant seen sant et comme je dis comme pour Lionel Messi nico nico ni ko El Hadj à eux de prendre leur responsabilité pour vraiment. Euh, li nga xamné lu tuuti mo ci desoon ci 2019 bi parce que final lañ tok ba lu tuuti lool ñu dem jëliko té lool nak du du talent kese en fait il faut il faut vraiment jëli li nek ce euh, joxe lepp comme on dit euh, du talent kese du du du chance dañ koy provoqué à un moment donné ba c'est niveau ci talent ken lam-laamee ko en Afrique maintenant li ci des engagement bi ak yenn dem xif bi am cette fin là pour aller chercher le petit le petit plus là parce que compétition africaine qui le ko a bëgg parfois euh, on l'a vu en 2017 avec le Cameroun c'était pas l'équipe la plus talentueuse du continent de très loin la preuve c'est une yi ko gagné woon bataille ci euh, mais ce petit plus là bi ñu il faudra aussi ñu dem ñu c'est certain c'est sûr qu'en tout cas que pour la bande euh, pour Sadio Mané et consort en tout cas c'est maintenant jamais coach d'accord avec El sur ci rôle de Sadio Mané war un am groupe bi bataille. Oui, tout à fait. Je pense que Sayo, son rôle ici, par exemple, avec ses performances avec Liverpool, et que je pense que euh, un certain moment, il a porté Liverpool. Moi, n'est euh, un des leaders de, Liverpool. Je pense que Lolo doit rejaillir au niveau de l'équipe nationale, ni sentir, sentir sa présence. C'est en fait, euh, il ne faut pas aussi ni du reforcer, de voir Sayo doit être le leader technique de, l'équipe nationale de droit c'est quelque chose de c'est naturel et Sadio quand on le voit de par son éducation nous nous comportons et tout c'est pas une personne pour ramener il s'extériorise donc koo donc ni koo xam ne mots il di di tout après il fait son job après de notre toog et puis il euh, y a des jours, yoo xam que ni ñi ñoo war jouer ce rôle dans cette équipe et à un moment donné dañuy sentir ni équipe bi manquer un leader un leader boo xam sur que équipe bi di problème on sent sa présence lolo, tu sens que l'équipe nationale on a vu euh, en 2002 en 2002 pratiquement sur chaque ligne pratiquement il y avait un leader mais tu sentais que les joueurs c'était des leaders naturels hmm. mais et pas pratiquement équipe nationale bini, équipe nationale actuelle tu sens ce manque ce manque Bobo, moi tard en certain moment ça cale parce que nous avons muy moi moi, la personne qui que réveiller ses partenaires c'est ça qui fait défaut à cette équipe nationale et je pense qu'il faudrait faut que les gens travaillent sur ce côté et que ça on le laisse sur le terrain c'est un leader c'est un leader technique d'accord c'est un leader qui il peut prendre le ballon à un moment donné pour créer des différences, il peut le faire mais en dehors de ça vous faites que les un domaine si un euh, domaine Lolo fausser faussé fay daf koy dénaturé da dénaturé en en quelque sorte et je pense que il faut que Dieu, me a lolu Il y a un jour Koulibaly il a l'expérience il a la carrière. il peut jouer ce rôle on a vu gamin ce c'est pas pour rien que euh, préparation il a porté le brassard du PSG donc ça veut dire qu'il peut jouer ce rôle mais sur le terrain on sent pas saine poigne on ne sent pas saine présence sur côté boobu donc mais cher Cheikh poser des hein, par rapport à ça mais est-ce que Lolo... Ce euh, c'est pas un peu la faute à l'entraîneur mais le moment attiré un peu tout le leadership sur lui parce que également à euh, c'est quelqu'un qui, naturellement dafa incarner un peu ce leadership là mm-hmm. est-ce que l'ol demul ba ça lui porte préjudice parce que dans cette équipe là euh, ça fait longtemps que nous avons... fait, est-ce que le moment bider un peu le leader sur le terrain parce que sur une des questions essentielles de résoudre mm-hmm. juste avant la coupe du monde on a eu l'équation Cheikh avec le brassard euh, juste avant la Coupe du Monde, Chef Biati il a appris qu'il n'était pas capitaine au, tout dernier moment, et, mm-hmm. presque au même moment que apparemment que, que le grand public. Mm-hmm. Euh, mu un souci qui a un impact sur ses performances à un moment donné. Euh, ça c'est resté une question qui a été tranchée pendant longtemps 2018 2019 2021 on se dit on est capitaine équipe nationale Sénégal tantôt on voit le à Sadio. Euh, parfois avec euh, Koulibaly. On voit que ça a été retiré à, à Et puis donc voilà, c'est parfois Ganegay également. Mm-hmm. Euh, apparemment, Ali aussi, c'est Bimou Djogé 2019 bis. sa décision était prise euh, pour Djoko qui dit Koulibaly. Mais il n'y a jamais eu de officialisation bi en tant que ci biir joueur yeeg yooyu yëpp mu hiérarchie clairement définie ñu xam ne euh, Kalidou c'est le numéro 1, Diou c'est le numéro 2 Diou c'est le vice capitaine le deuxième vice capitaine Diou c'est le troisième vice capitaine mais finalement est-ce que du du créer problème de leadership oui je pense que je te rejoins parce que tey jii soo ni par exemple soo les joueurs de caractère yoo équipe nationale bini à mon nom ces joueurs de caractère ont disparu de l'équipe nous gisutu leen il a eu des problèmes à nous, ñoo avons mu des donc tey jii nii soo xoolee que li wax ni euh, dama koy parce que tu sens que dans l'équipe il y a un problème de communication parce que c'est des choses c'est des décisions yoo xam que dana koy fësal wax ko ni que le brassard soo koy retiré si capitaine bi capitaine actuel je retire le brassard dama koy jox diw mais à quelques minutes d'un match na jël brassard si si joueur bi non seulement tu prends le brassard ba le boole si teg ko si banc bi mën il y a que euh, ambiance groupe ambiance groupe on l'a vu heureusement que Cherou c'est un gars très posé c'est un gars très éduqué mais que euh, c'est pas lui mon mooy dire euh, ambiance groupe je pense qu'il a pris ça euh, d'une façon positive et que Taïdini la moo que parce que mënoon nekk beneen jeu tu allais l'entendre Vous voyez qu'on beneen bien mënoon jeu que tu allais l'entendre ça allait faire du bruit a ambiance groupe et tout ça heureusement ça a été bien géré il a des jeux intelligents sous la main, mais l'homme man toujours décrié. Sa façon de faire avec les jeux, ce n'est pas une façon de faire des de faire sous les groupes, et que les groupes groupe boo gis dafa forte tête groupe dafa forte tête même si en privé en off il y a dem au clash à joueurs vas-y affrontez dem et tout mais vous réglez ça en interne après guerre et guerre y a un nañu des joueurs qui ont une ñoo bokk équipe c'est les pires ennemis du monde mais su duggee xasee ba dugg si biir terrain bi ba sol maillot bu ñu bokk. Mm-hmm. jeex tu sens plus la différence. Mm-hmm. et que tey c'est des choses yoo ça se gère en interne ça se gère en interne mais tey équipe nationale y a un problème de communication y a un problème à un moment donné comme tu l'as dit Nitini dans la c'est qui le capitaine de l'équipe nationale un match tu vois ça il porte le brassard un autre match un autre match du Koulibaly un autre match Gana à la fin, tu ne sais plus. Peut-être c'est au Taï Moudjou, on voit plus le brassard avec Khalidou Koulibaly. Peut-être qu'il a pris sa décision, que maintenant c'est Khalidou Koulibaly qui va porter le brassard. Mais il faut que ça soit clair, défini, ni que. Hein, on a l'information que des joueurs lui ont demandé de euh, nous définir